bon. C'est bon, hein Bon. Hassan Papagay, mandataire national de la coalition Jao 2024, qui a investi le président Elhaj Moumoud pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Finalement, est-ce que vous avez arrivé à valider votre parrainage euh, On commence d'abord par rendre grâce à Dieu, Alhamdulillah, remercier nos délégués régionaux, nos militants et sympathisants n'était pas facile parce qu'après le tirage, on était classé 69e. Mais malgré ce classement, on a validé 32 000 parrains. Il nous fallait régulariser 11 11 331 parrains. Mais finalement, on s'est retrouvé avec plus de 0,6%, à savoir 53 022. Donc on remercie le bon Dieu et on donne rendez-vous prochainement à nos militants sympathisants à la presse où le président Mamadou Diao va s'adresser au peuple sénégalais pour remercier les gens qui l'ont parrainé spontanément parce que depuis le début, on n'a pas fait une grande tournée, ce n'était pas facile, on était victime de beaucoup de de beaucoup d'attaques, mais malgré tout ça, on a réussi à franchir le cap du parrainage. Donc merci beaucoup au peuple sénégalais, merci beaucoup aux militants des gens qui sont constitués en majorité de jeunes qui ont décidé de parrainer, la candidature de Elage Moumoudou Diao. Alhamdulillah, merci beaucoup à la presse qui a couvert l'ensemble des activités. Donc, moi, je suis Massène Papa, je suis mandataire coalition Diao 2024. pour investir El Hadj Mamadou Diaw ñu gën koo xam si Mame Boye Diaw yombutoon parce que après tirage nous ñu 69 69 Nous la bi première phase malgré ce rang on a validé 32 000 parrains Nous avons régulariser. 11 331 freins Alhamdulillah, dépassé de seuil 0,6 euh, pour 53 022 parrains Nous avons dit que ko amee les militants sympathisants les délégués régionaux les jeunes les femmes qui travaillent avec nous Au sénégalais ils nga spontanément dañ au projet Elage Hadj Mamadou Diaw bi nga livre programme le tout d'un coup, le Sénégal qui vient les jours à venir dina jox rendez-vous presse bi locale presse nationale et internationale pour voir ak si li ñu jublu une campagne électorale parce que ce dossier yëpp mot nañ dañuy campagne électorale bi sensibiliser les tourner une les gens, demu doon ñu dem fa la population donc prochainement sur une cellule de combi, nous dinañ leen convoquer pour une grande rencontre pour xamante ce sera El de Mamadou Diaw buy def one man show. merci beaucoup. Hein. Donc bonjour à tous. Donc Amadou le mandataire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Nous avons le plaisir d'informer le peuple sénégalais que nos parrainages ont été validés. Certes, dans des conditions assez difficiles, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Nos données étant euh, confondues avec les données d'un candidat précédent. Donc c'est ces difficultés qui nous ont beaucoup retardés. Néanmoins, l'essentiel a été fait. On aura tous remarqué que le système de parrainage, c'est plus de la loterie, mais de la roulette russe. Et qu'il y a besoin et nécessité urgente de revoir et changer ce système. Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les bonnes volontés, tous les Sénégalais qui, dans un laps de temps assez court, se sont mobilisés pour valider, apporter leur parrainage, leur soutien au candidat Bassirou Faye qui a su dans un temps assez court de quelques semaines, à peine deux, semaines, trois semaines et quelques, à réussir cette prouesse de rassembler les parrainages requis. Nous traiter ces histoires d'électeurs de, de non identifiés dans le fichier, bien entendu, nous aurions passé cette étape avec brio. L'essentiel a été fait, maintenant il faut passer à l'étape supérieure en espérant que d'ici le 20, qu'il n'y ait plus de problème dans le traitement du dossier final par le Conseil. Je vous remercie. On prétendu que votre, dossier a été tripatouillé au premier tour. Est-ce que vous, en tant que mandataire, pouvez confirmer ces allégations Ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde, tous les candidats, je pense, même des candidats anciens ministres qui ont voté ont vu leur nom disparaître du fichier. C'est un problème quand même qu'on ne peut pas nier. La vérité, c'est qu'il faut que le fichier soit disponible. Dans le système qui devra venir, il faudra changer les mécanismes pour que... Non, non, non, non, non, non, n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas trop vite en besogne, n'allez pas trop vite en besogne. Ce qui est sûr et certain, c'est que les 12 000 personnes quand le, Conseil nous a remis notre clé, nous l'avons analysé, nous avons constaté que les 12 000 personnes qui, sont déclarées inconnues du fichier, en réalité, leurs données personnelles ont été changées. Que ce soit par le prénom, il y a une lettre qui a été enlevée, la date de naissance a été légèrement modifiée, ou le numéro d'identification nationale. Il ne s'agissait que de cela. Vous savez, n'accusez pas, non, vraiment, ne fouez pas nous pousser dans, à la hussarde comme ça pour accuser le conseil. Nous vous nous disons juste que nos données été changées et on peut apporter la preuve parce qu'on a une copie du dossier qu'on a déposé. Le fichier qu'on a reçu, les noms ont été modifiés. C'est qu'il y a eu quelque part une altération. Cette étape étant passée, je pense que l'essentiel, c'est on va se tourner vers le futur en espérant qu'il n'y ait plus d'accro pour la suite. donc di nuyu mbokk yi di wax ni rek man la Amadou Ba mandataire candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye di leen wax ni rek ñu ngi am sant yàlla bu rëy di wax ni suñuy parrainage validé nañ xawoon naa nag jafe ndax yàgg nañ ci biir lool lool lool lool ndax ay jafe-jafe pour traiter clé bi lii di jafe-jafe yi mooy lu ci yàgg yàgg ñoom bi ñuy bind ak li ñuy traité candidat ñun bi ñu bi ñu euh, bi nga xam ni moo ñu jiitu ay données lañ jox donc pendant longtemps ñu traité donné avons te xamuñu ni du donc loolu moo ko que mais nous def le peuple sénégalais contrairement à Agnès Dess, nous nañ ba Bassirou nous avons parrainage Nous avons parrainage même ñetti pour donc nous ngi le peuple sénégalais nous ñi euh, mobiliser énergie